le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème esclavage moderne, exploitation des petites filles dans les villes euh, du Niger, causes et conséquences. Chaque année, après la saison des pluies, l'on constate un déplacement massif des jeunes de tous les âges en provenance des villages vers les grandes villes. Parmi ces jeunes, l'on retrouve de nombreuses jeunes filles mineures qui pour faire euh, du petit commerce, qui pour travailler comme domestiques dans les ménages. Ces jeunes filles sont souvent exploitées, mal rémunérées, mal nourries et régulièrement humilié Dans le rapport de l'enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009, le ressort qu'au Niger, les filles sont beaucoup plus occupées que les garçons. En effet, 53,1% des filles de 5 à 17 ans sont économiquement occupées contre 47,7% des garçons de ce groupe d'âge. La majorité des enfants économiquement occupés sont employés dans les ménages, 58,2%. Le secteur agricole, 13,8%, vient en deuxième position. Les enfants économiquement occupés travaillent en moyenne 28,5 heures par semaine. Avec euh, nos invités, nous allons échanger sur les causes ou encore les origines du travail des enfants domestiques. Ensuite, nous parlerons des conséquences bonnes ou mauvaises pour l'une ou l'autre partie dans cette façon de faire travailler les enfants ou toute autre personne vulnérable. Nous avons donc le plaisir de recevoir Zibrina Hamani, chargée de programme à l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten. Zibrina Hamani, bonsoir. Bonsoir. Soumana Fodé, enseignant, auteur de mémoires sur le travail des jeunes filles domestiques au Niger. Soumana Fodé, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Dr Hamid Abdelhadi. Il est sociologue et enseignant à l'université Abdoumoumouni de Niamey. Dr Hamid Abdelhadi, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, écoutez euh, ces quelques jeunes filles domestiques euh, interrogées en Niamey un moment, j'ai travaillé comme domestique chez une dame, et cela des mois durant. Lorsque je voudrais rentrer au village, j'ai informé ma patronne que je voudrais quitter tel jour. Elle m'a dit de revenir dans l'après-midi pour récupérer l'argent. Quand je me suis rendue chez elle pour prendre mon argent, elle me suggère de prendre une partie de l'argent maintenant et de revenir récupérer l'autre partie une fois que je serai de retour du village. J'ai exigé à ce qu'elle me paye l'intégralité de mon argent sur place. Elle replique à me demandant de quitter sa maison et qu'elle ne va pas me payer. C'est ce qui fut fait car j'ai quitté sans l'argent. C'est mon dû de six mois de dur labeur que j'ai laissé à raison de 10 000 francs CFA le mois. Je lui avais dit que je la laisse avec Dieu. On peut rencontrer des très bons employeurs, tout comme on peut rencontrer des mauvais. D'autres nous maltraitent. Et il y en a aussi qui, même quand ils veulent te donner quelque chose, se désistent et disent que tu ne fous rien, donc ils finissent par refuser. On peut rencontrer aussi des employeurs qui, quand ils sortent de la maison, c'est la joie. Mais quand ils reviennent, on retourne dans notre coin. Mais il y en a aussi qui, quand ils sortent, tu es même pressé de les voir revenir. Parce qu'on cause ensemble, on rit ensemble, on s'amuse, comme si on était parents. Et si tu veux rentrer à la maison aussi, tu peux rentrer. Moi, je ne veux pas qu'on me gronde. Ne me donne pas de la nourriture que toi-même tu ne peux pas manger. Et ne me prends pas pour l'enfant de quelqu'un, parce que je te prends comme ma mère, sinon je ne travaillerai pas pour toi. Ne me fais pas faire un travail qui ne figure pas dans mon contrat à la base. C'est ça mon problème. Jibrina Hamani, quel commentaire après avoir écouté euh, cet élément euh, merci, euh, Monsieur Mokhtar. Euh, le premier commentaire qui me vient à, l'esprit, c'est que d'abord, en premier lieu, il faut parler de la législation De travail. La législation de travail, elle ne dit nulle part qu'on peut payer quelqu'un en dessus du SMIC. Et le SMIC, ça fait à peu près 30 000 et quelques. Donc, dans ces conditions-là, quand on parle de salaire de 10 000, moi, je pense que c'est vraiment de l'esclavage moderne. Ça, c'est chose. et refus de payer le salaire de quelqu'un était convenu aussi, là, c'est une violation totale des droits du de, de, travailleur. Vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un et ne pas lui ce, que, sur quoi vous êtes convenu. Ça, c'est très important et que je pense que là, il y a un autre problème qui est là, qui est l'ignorance même du travailleur sur vraiment ses droits. c'est ça qui fait que, qui explique un peu ce phénomène-là. Jibrina Hamani, que peut-on comprendre ou retenir au sujet de la notion de l'esclavage moderne que vous avez évoqué tout de suite là Oui, mais la question de l'esclavage moderne, c'est quelque chose quand, dès que les conditions de travail ne sont pas remplies, comme le veut la Convention internationale du travail et comme le veut les textes nationaux, donc là, il y a vraiment de l'esclavage moderne. Parce que c'est tous les droits du travailleur qui sont bafoués. Et là, quand les droits du travail sont bafoués, il y a vraiment de l'esclavage moderne. Un petit exemple seulement, quand vous prenez des gens, vous les faites travailler des longues heures sans leur payer les, heures supplémentaires, ça c'est de l'esclavage. Quand vous prenez quelqu'un, vous le faites travailler, vous ne le déclarez pas la question nationale de sécurité sociale, ça c'est de l'esclavage. Quand vous prenez quelqu'un, vous le faites travailler des longues heures. Il n'y a pas que les enfants ou bien leurs repos ne sont pas respectés. Mais ça, ça rentre l'esclavage, tandis que l'esclavage est aboli depuis 1884. Euh, Donc on ne peut pas revenir aujourd'hui, mettre les gens dans de mauvaises conditions. Et toutefois que vous prenez des gens, vous ne leur donnez pas ce qui leur convient de droit, là, vous les mettez en esclavage. Jibrina Hamani, euh, le travail des jeunes filles domestiques euh, peut-il être considéré comme étant une forme d'esclavage moderne Mais ça, c'est un phénomène qui date pas d'aujourd'hui il date pas d'aujourd'hui parce que moi, de mon point de vue, cette situation-là a existé de, longue date. On peut le classer ainsi. Quelque part, on, trouve que c'est un truc social. Quelque part, on trouve que c'est de l'esclavage. Quand du point de vue moderne, c'est de l'esclavage. Mais du point de vue social, on peut penser que, bon, c'est peut-être une aide ou, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est un soutien qu'on fait à, à la personne des jeunes filles. Mais toujours est-il dit que y a l'exploitation là-dedans. Dès qu'il y a l'exploitation, donc là, tout est, tout est gâté. Et surtout, quand on vient d'écouter ce que vient de dire la jeune fille là, ça c'est très édifiant. Si je peux me permettre, il faut peut-être rappeler ce phénomène-là, parce qu'aujourd'hui on voit ça un peu, c'est maintenant peut-être qu'on voit ça, mais ce phénomène a existé de longue date avant les années 80. Vous voyez que les filles, les jeunes mariées en général, quand elles viennent, elles sont toujours accompagnées de leur petite sœur qui vient et qui travaille dans la maison. Elles, elles ne sont pas rémunérées du tout. Il n'y a pas de rémunération. Souvent, c'est pour, pour cette raison, ces enfants-là ne vont pas à l'école on viole leurs droits. Et le phénomène a, continué jusqu'à une certaine date où, ici au Niger en tout cas, ces phénomène là n'étaient pas très, très poussés. Ceux qu'on connaît dans les maisons, les, femmes travailleurs, les, les, filles travailleurs domestiques, ce sont des côtières. Souvent qu'on recrute, et les fonctionnaires surtout, qui les recrutent parce qu'on pense que celles-ci elles savent préparer, donc elles peuvent préparer pour toute la famille. après les années 80, avec la sécheresse de 84, le phénomène s'est amplifié. Et avec les années 80, donc la restructuration des entreprises où il y a eu beaucoup de des entreprises qui sont mortes, donc le phénomène s'est amplifié. Et s'est amplifié du fait de la pauvreté de la campagne. Et les travailleurs, la sécheresse a amplifié cela. Donc les gens qui sont dans la campagne n'ayant pas de quoi manger, ils sont obligés de se rabattre dans les grandes villes. Souvent, c'est des familles entières. Souvent, ce sont les enfants qui viennent travailler pour souvenir aux besoins de la, de la famille. Et ces gens-là, quand ils viennent, vraiment, c'est vraiment, surtout pas, peut-être pas le salaire. Mais on doit payer, souvent c'est 1500, c'était trop modique, ça ne veut rien dire. C'était pour trouver de quoi manger. Et engranger les, les repas qu'on laisse et sécher et puis envoyer ça à la famille. C'était pour cette, pour cette cause. Après, les choses se sont amplifiées. Maintenant, il y a un salaire jusqu'à 10 000 et tout ça là. Mais ça continue parce qu'au niveau du, du, village, la jeune fille qui vient travailler, souvent elle vient avec sa maman, la travaille, la jeune fille travaille. Donc la jeune fille ne va pas à l'école. La maman, elle travaille. Ce qu'ils ont eu au niveau des de foyers où ils sont accueillis, ce sont les repas qui restent là et qu'on fait sécher. Et souvent les habits que les enfants ou les autres là leur donnent, c'est ça qu'ils mettent de côté jusqu'à la période de soudé, et ils ramassent tout cela et rentrent à, la maison avec. Quand les autres ils voient qu'ils ont des, beaux habits, des, des trucs comme ça, bon, les autres aussi sont tentés. Au lieu de rester pour suivre l'école, il y a d'autres qui quittent et les suivent. Donc finalement, les choses vont à crescendo. L'école a un problème terrible. Docteur Hamid Abdelhadi, vous êtes sociologue. Dans la plupart des cas, le travail de ces jeunes domestiques constitue l'espoir de certaines familles. Faut-il interdire ou encourager ce travail des jeunes domestiques euh, Merci. Euh, avant de répondre à votre question, je vais essayer de euh, donner mon point de vue aussi par rapport à ce que le collègue vient de dire. Effectivement, je suis d'accord euh, avec tout ce qu'il a dit et les, les aussi qui ont parlé de leur euh, situation. Effectivement, c'est déplorable que ça soit ainsi, mais c'est général aussi. Mais de l'autre côté aussi, il faut constater aussi ce problème-là, comme il l'a bien décrit, c'est un processus. Et aujourd'hui, on constate que c'est même devenu un truc euh, où certains trouvent euh, leur compte parce qu'il y a des intermédiaires. Mais sinon, euh, on ne peut pas dire que c'est mauvais parce que c'est l'employeur qui sont les, familles et les travailleurs, les employés aussi. chacun essaie donc de tirer son impact du parce que sans ces dames-là, les familles sont dans le désarroi et pour une permission d'une journée quand elle ne revient pas aussi. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc ce qui fait que effectivement il y a donc euh, les avantages et les inconvénients. Mais malheureusement, le problème, c'est que ce n'est pas cadré au niveau de l'État. Et ce qui fait que, bon, chacun essaie de prendre euh, comme euh, il s'en Et il y a des familles qui s'occupent d'elles et il y a des familles qui ne s'occupent pas d'elles. Donc, de ce fait, euh, il fallait cadrer et faire en sorte que même les associations qui s'occupent de ces dames-là ne travaillent pas pour, gratuitement aussi et là où elles sont hébergées également. Et tout cela n'est pas cadré du point de vue juridique donc il fallait que euh, l'État s'en préoccupe de cela pour euh, essayer de euh, savoir à quel moment vous avez parlé des, de leur sol. Et là également, donc ça varie de 6 000 à 50 000. Donc ce qui fait que chaque famille, selon ses moyens, essaie de voir comment il peut, à quel prix il peut l'engager. Et euh, de ce fait, donc, euh, il devrait y avoir un prix standard ou bien cadré pour essayer d'énumérer aussi de quoi euh, devraient s'occuper là ces, enfants pour essayer donc de ne pas trop les surcharger aussi et effectivement donc autrement dit ça devient aussi un esclavage moderne comme certains a eu à le dire et c'est ça aussi qui est déplorable dans notre situation ce sont des enfants ils ont leur famille etc mais on les prend aussi pour, euh, pour rien. En fait, euh, on va négliger leur euh, existence et travailler seulement pour les autres, alors que c'est un être humain aussi qu'on doit s'occuper comme ça se doit. Docteur Hamid Abdelhadi, la majorité des jeunes domestiques sont très mal rémunérés, et même dans le cas où ça tombe régulièrement, comment l'expliquer mal renuméré, c'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas un prix, un prix d'entente entre euh, celui, entre la dame qui travaille et euh, la famille qui l'engage. Donc si euh, d'avance celui qui, qui veut travailler fixe son prix, L'autre aussi va essayer de voir euh, ce qu'il arrange. C'est pourquoi moi je disais que ça devrait être cadré au niveau de l'État pour qu'on arrive à savoir quelles sont les tâches et euh, à quel prix il faut donc les engager selon les tâches qu'ils exécutent. Est-ce que c'est seulement le repas Est-ce il y a la lessive, etc. Est-ce qu'on doit garder les enfants Donc, euh, il y a chaque catégorie, il fallait donc euh, euh, voir. Mais autrement dit, effectivement, ils sont dans la majorité des cas mal payés. Et pour cela, il fallait instituer une règle du jeu pour que les uns et les autres arrivent donc à respecter cela. Malheureusement, donc, c'est comme on dit à la tête du client et chaque famille essaie donc de voir ce qu'il arrange pour essayer de payer le moins cher possible. Euh, Soumana Ali Foddo, dans les recherches que vous avez menées, avez-vous identifié les origines ou les causes de cet exode qui aboutit au travail euh, domestique au Niger Merci, M. Mokhtar. Donc, euh, avant de répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter vraiment une bonne et heureuse année à toutes et à tous souhaiter aussi une paix pour euh, tout le Niger et euh, de progrès et de réussite vraiment à tout le monde. Donc, euh, je voudrais également répondre à votre question, mais avant, il faut d'abord parler un peu de ce que c'est la migration, comme, de l'exode, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la migration, c'est l'exode, c'est le déplacement de la population d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Voilà. Donc, euh, pour le cas que nous allons traiter, et euh, nous allons parler, nous allons parler sur le cas des femmes. Et que des femmes, des, jeunes filles surtout. Des jeunes filles surtout. Et c'est un phénomène d'actualité. Il faut le reconnaître, c'est un phénomène d'actualité. Malgré que ça a duré depuis, eh, je vais dire, dès les années 63, 1963 avec euh, les sécheresses qui se répètent de temps en temps. Donc, euh, il faut noter d'abord, comme vous l'avez demandé, les facteurs déterminants à ce phénomène. Et parmi ces facteurs déterminants, nous pouvons parler des facteurs environnementaux, des facteurs économiques et des facteurs sociaux. Donc, euh, pour les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les raisons environnementales, nous pouvons citer les problèmes liés aux terres cultivables et les mauvais rendements agricoles. Et cela crée la crise alimentaire dans les régions. Vous le savez autant que moi. Et qu'est-ce qui cause cela Ce sont les aléas climatiques. Ce sont aussi les arrêts précoces des pluies. Ce sont les inondations. Ce sont les insuffisances des terres provoquées par l'érosion et le morcellement des terres d'héritage. Voilà. Donc, euh, je dis bien pour souvenir aux besoins primaires des familles, mais il faut aller à l'exode. Et c'est cette stratégie que les femmes euh, euh, utilisent, comme l'a dit un savant, qui dit que avoir un membre de, la famille à l'exode est, une richesse, selon Olivier de Sardin. Donc, c'est pour vous dire que c'est une stratégie utilisée pour faire face à ce problème alimentaire. Euh, en dehors de problèmes euh, euh, environnementaux, nous pouvons parler aussi des facteurs économiques. Et parmi, vous le savez autant que moi, la pauvreté. La, pauvreté de la population. Une population qui vit déjà moins d'un dollar par habitant, où tu peux, selon les indices de développement, où vous pouvez trouver en campagne, dans un village, au moins de 50 000 circules dans la journée. 50 000. Moins de 50 000 circules dans la journée. Alors, et parce que j'ai eu à faire des enquêtes de, travaux dans la commune de Tondikandia et je sais de quoi je parle. Il faut aussi ajouter le problème lié à la dot, la dot de mariage, la dot qui est élevée de, de 300 à 500 000 dans les villages. Il faut voir une population pauvre où la dot coûte excessivement cher. Aussi, le problème lié à l'impôt. À l'impôt. en dehors de ça, il y a les manques aussi d'activités génératrices de revenus. Dans les campagnes, disons qu'il n'y avait presque aucune activité parallèle en dehors de l'élevage qui ne produit plus, qui ne donne plus, et en dehors du petit commerce que les gens ne font que euh, euh, par semaine, les jours de marché. Donc vous voyez, tout cela montre l'aspect économique qui contribue à l'exode. Et en dehors de ça, euh, comme notre collègue vient de le dire, il a parlé effectivement de, de rémunération. Effectivement, les, filles, les bonnes, elles sont très mal payées, à peu près de 5 000 à 10 000. Il faut voir. Et la journée de travail, il faut penser à ça aussi, c'est de 7 heures jusqu'à 19 heures. Il faut voir. C'est d'ailleurs là où on peut parler également de l'exploitation de l'exploitation de l'homme par l'homme. Au lieu de dire de l'esclavage, je mets ça entre guillemets, moi j'ai dis l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que ce sont des gens qui sont exploités consciemment par les autres. Elles le savent. Elles le savent bien, mais c'est parce que moi je dis qu'il n'y a pas, euh, pour ce moment, euh, d'autres voies de sortie. Donc en dehors des aspects économiques, je peux parler aussi des facteurs sociaux. Et là, je vais dire, il y a beaucoup d'aspects qui contribuent, qui font en sorte que l'exode est aussi euh, encouragé. Et il y a la rivalité entre les, les filles qui viennent et celles qui sont au village. Qui sont scolarisés. Qui sont au village en train d'être scolarisés, effectivement. Parce qu'il y a même euh, euh, euh des propos euh, qu'elles se disent. celles qui sont au village sont appelées des Djawiz Tchedjinkwari. <laughs> Djawiz Tchedjinkwari. Djawiz Tchedjinkwari veut dire quoi Les filles qui ont les pieds sales, très sales. Et elles aussi, elles appellent celles qui viennent en, en, en ville, haourou Police l'aide Bakournier. Et vous entendez quand on dit Haurpolis c'est-à-dire que eh, eh, ces filles, eh, ces dames préfèrent manger dans les plastiques plus que leurs maris qui sont à la maison. Parce qu'il faut le dire, hein, certaines viennent et laissent leur maris au village. D'autres, c'est quand leur mari quitte pour l'exode, elles aussi, elles plient bagages pour venir en, pour venir en, ville. En ville. Donc, euh, s'agissant aussi des jeunes filles mineures qui travaillent, euh, est-ce que c'est un problème c'est effectivement un problème parce que je voudrais même en revenir là-bas. Parce que eh, si vous constatez le départ des, femmes qui quittent, il y, a les, eh, eh, il y a les plus âgés, les moins âgés et les plus bas. Qu'est-ce que j'appelle les plus bas C'est-à-dire les mineurs. Les mineurs. Les mineurs sont tirés soit par leur maman ou leur grande sœur. Parfois, c'est toute la famille qui quitte. Et quand la famille quitte, la fille, la petite fille est obligée de quitter le banc de l'école pour rejoindre sa famille. Et là, c'est un problème que nous devrons garder et voir devant nous. Le fait que les filles abandonnent l'école pour les travaux domestiques. Pour les travaux domestiques. Ce qui veut dire que la déscolarisation euh, euh, euh, gagne de plus en plus d'ampleur dans ces campagnes. Et là, il faut faire face parce que une société sans éducation, c'est une société détruite, c'est une société morte. Souman Ali la plupart euh, de ces filles euh, domestiques ne savent ni lire ni écrire. Est-ce là une source de préoccupation C'est vraiment la préoccupation sur laquelle d'ailleurs nous devrons réfléchir. Parce que l'enfant qui quitte euh, en classe de CI, juste, elle vient d'être recrutée, elle quitte avec ses parents pour la ville. Et encore en ville, personne ne s'occupe de l'éducation de ses enfants. Ce sont des enfants qui sont abandonnés dans les rues. Et d'ailleurs, voilà pourquoi vous remarquez à chaque moment de perte de ces enfants. C'est parce que même en ville, elles sont abandonnées. Elles sont abandonnées. Soit elles sont tirées par leur maman à même pour, pour la ville, ou bien elles sont, elles sont abandonnées dans les, dans les groupements qui s'élèvent parfois, eux aussi, dans, dans la nature. Et là, c'est un problème. Parce que ce qui est plus piquant, c'est tout l'abandon au niveau de l'école. C'est ça qui fait, qui fait mal. Il y a des classes qui ont tendance à fermer ou, des classes sans filles à cause de l'exode. Et d'ailleurs, pour euh, ajouter par rapport à ça, c'est pour vous dire que, M. Mokhtar, ce qui est frappant, c'est que ce phénomène a tendance à prendre euh, une forme culturelle. Pourquoi je dis cela euh, Mes enquêtes m'ont permis d'identifier que dans certaines familles, les filles refusent même de se marier dans ces familles parce que ces familles prennent leur responsabilité d'empêcher les femmes d'aller à l'exode. C'est un problème social. Ça devient un problème purement social et voire même culturel. Et d'ailleurs, même lors de mariage, voilà ce qui, ce qui a tendance à s'imposer. Lors de mariage, si le garçon voudrait marier une fille, tu es obligé de payer une somme de 5 000 francs qu'on appelle Alada pour faire retourner la fille au village. Même si la fille est au village. Ce qui rehausse encore davantage le prix du mariage, c'est-à-dire la dot. Donc, euh, vraiment, c'est un problème auquel il faut, il faut euh, faire face. C'est un problème qui nous tient en cœur et que quand on essaie de citer, vraiment, il y a plusieurs faits sociaux qui font en sorte que euh, ce phénomène prend de plus en plus. Des proportions inquiétantes. Inquiétantes. Jibrina Hamani, avez-vous quelques exemples du cas euh, que votre structure a géré et qu'est-ce que ça a donné comme résultat, bon ou mauvais Bon, euh, écoute, nous avons, les années antérieures, nous avons, euh, par rapport à ce phénomène-là, nous avons mené des enquêtes au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Et nous avons passé dans des sites, comme vient de le dire M. Soumana, là où les filles sont regroupées, les polices sont regroupées. Nous avons passé dans ces milieux-là et nous avons inquiété pour savoir d'où proviennent ces, ces enfants-là, ces filles à haute police-là. Après enquête, nous avons constaté qu'elles viennent de, ici à Niamey, elles viennent de la région de, de Baleara, euh, Bonkoukou, la région de Et même euh, euh, dans le en particulier. Ce sont les deux, les deux plus gros fournisseurs de ces travailleuses domestiques. Après avoir constaté cela, nous avons constaté qu'il y a des filles qui n'ont pas, qui n'ont pas été à l'école. Et on a constaté qu'il y avait des, filles qui ont abandonné, y compris des garçons qui ont abandonné et qui sont venus ici pour travailler, trouver la pitance. ça, elles sont venues avec leurs parents, d'autres elles sont venues avec leurs leur sœurs, ainsi de suite. Ils sont, il y a plusieurs formes. Et parmi même les, les, filles qui viennent souvent, ce sont des filles mariées. Elles sont mariées dont le mari est parti à l'exode. Donc le mari n'est pas là. Elle aussi, elle quitte pour rentrer chercher pitance parce que peut-être le mari n'arrive pas à subvenir à ses besoins et les beaux-parents ne peuvent pas la garder, ils n'ont pas de quoi la nourrir. Peut-être eux-mêmes au niveau des beaux-parents, la majorité sont partis. Donc euh, le phénomène s'amplifie. On a mené ces enquêtes-là et nous avons fait une mission dans la région de Balara, principalement. Après cette mission, nous sommes partis, on s'est renseigné au niveau de la population, au niveau de certains villages, pourquoi il y a des filles et des garçons qui abandonnent et qui rentrent directement euh, dans les grands centres, l'école et qui vont dans les grands centres. Nous avons rencontré les directeurs d'école, nous avons rencontré les, enseignantes et les enseignants. Et en fin de compte, nous avons constaté que, comme vient de le dire euh, Soumana, effectivement, il y a un problème d'abord de économique, économique social, environnemental. environnemental. Et tout cela conjugué fait que ces jeunes filles ne restent pas en campagne et ne fréquentent pas l'école. Elles sont contraintes de quitter et de venir chercher pitance en ville. Comme l'a dit, il y a une concurrence entre celles qui sont restées au village et celles qui sont venues trouver des pagnes, trouver des, se laver avec des de l'eau javelisée, des, des, des, portables, des trucs comme ça. Et bien qu'elles n'ont pas un salaire important, elles pensent qu'elles sont mieux que celles qui sont restées en ville. Parce que quand elles rentrent, elles rentrent propres avec des vêtements qu'elles ont pu acheter, des choses qu'on a pu leur donner, avec beaucoup de gadgets, les autres n'en ont pas. Ce qui fait que quand elles retournent, les autres aussi, elles quittent et elles reviennent aussi pendant la même période. Donc le, phénomène s'amplifie. Nous avons à cette occasion, donc celles qui sont ici, on a trouvé une formatrice qui fait euh, chose pour essayer d'améliorer, puisqu'on a trouvé que le, revenu est très bas. Donc pour essayer d'améliorer un peu euh, peut-être leur salaire au niveau de leur euh, employeur, on a mis une dame et on a regroupé dans les écoles et donné une formation en matière de euh, préparation des nourritures, des mets, et puis un peu expliquer un peu leur situation pour que, au niveau de leur patron et de leur patron qu'elles puissent demander à ce que le salaire soit un peu plus élevé. Vous avez en tête le nombre de jeunes filles euh, soutenues dans ce sens et Ils sont plus de 200, ce qu'on a, ce qu'on a choisi dans, dans ah, on a encadré, c'était plus de 200 et même plus que ça. Puisque là, c'est ceux qui viennent seulement de Verbalera, plus de 200. Ceux qui viennent de Walam, il y avait plusieurs sites on les a regroupés à plusieurs endroits et souvent même sur les endroits où ils se trouvent. Donc c'est plus de 400. On a sensibilisé, on a expliqué, on a fait en sorte que qu'elles comprennent un peu leur situation. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve, souvent c'est un peu dramatique. Mais quand tu essaies de lui expliquer, voilà un peu comment le, monde marche aujourd'hui, y compris la question de santé. La question de santé et la question de le respect de l'être humain comment elles devraient être Il ne faut pas accepter certaines, certaines choses qui vont faire en sorte qu'ils vont dégrader leur vie, tout ça là. Il y avait tous ces, tous ces facteurs-là. Il y en avait, elles sont multiples. Les problèmes sont multiples. On ne peut même pas choisir. Mais de manière globale, on a quand même sensibilisé un nombre très important pour qu'elles prennent conscience de leur situation. Docteur Hamid Abdelhadi, quelles sont les conséquences du travail des jeunes filles domestiques pour le développement socio-économique pour un pays comme le Niger euh, merci. comme euh, euh, les deux intervenants ont eu à le dire, le problème c'est la déscolarisation des enfants qui ou des enfants filles qui ou même garçons qui n'arrivent même pas à savoir lire et écrire et ce qui fait que c'est ça qui est inquiétant pour euh, le pays et pour, euh, d'une manière générale, pour l'éducation. Et effectivement, euh, j'ai entendu dire par un ami aussi que les filles, souvent, sont au collège, certains, et elles délaissent pour venir pendant les vacances, pour travailler après, donc, elles prennent goût donc euh, à ce travail et parfois c'est ça aussi qui fait que, comme l'a dit le collègue euh, Soumana et en même temps Hamani, qui fait que euh, vont imiter les autres et essayer même d'abandonner l'école. Et un ami me disait que lui, il a sensibilisé la fille qui travaille chez lui à continuer à aller chez elle quand l'école reprend et euh, il m'a dit qu'il s'occupe aussi de sa de fournitures à lui donner et il euh, arrive à sensibiliser la fille pour qu'elle continue à aller à l'école. Donc voilà des initiatives où parfois c'est parcellaire, mais qui peut donc encourager les filles à ne pas abandonner, venir pendant les vacances travailler et retourner, continuer à faire ses études jusqu'à ce que, bon, euh, elle arrive aussi à avoir un diplôme. Mais autrement dit, si on ne prend pas garde, effectivement, l'initiative euh, dont tu as parlé, Soumana, c'est une bonne chose d'aller vers euh, ces filles-là et essayer donc de les sensibiliser pour qu'elles arrivent donc à ne pas se donner à ce genre de travail où parfois ils sont humiliés et on ne respecte pas aussi c'est qu'elles font comme activité. docteur, sans vous couper, comme conséquence, il y a certaines qui tombent même enceintes. Oui, effectivement. Donc, euh, ça aussi, c'est parfois dans la famille même, ce qui fait que ce sont les enfants ou même euh, parfois les patrons. Donc, euh, voilà, il y a trop de problèmes autour de ça et il faut que au niveau de l'État, qu'on arrive à s'occuper, surtout la justice, pour essayer de légiférer et faire en sorte que ça soit un peu organisé et que les gens ne pas d'aller dans tous les sens. Parfois, même ceux qui les qui les, euh, accueillent, euh, ils les exploitent parce qu'ils euh, ils peuvent dire voilà tel salaire, mais après c'est eux qui essayent de dire bon on va garder etc. Et c'est comme les patrons aussi qui gardent des mois et des mois, après on va te dire non, euh, on ne te paye pas et tu n'as même pas de recours, tu n'as pas aussi de preuves pour euh, porter plainte. Il euh, n'y a pas où aller se plaindre pour te faire écouter. Donc il y a trop de problèmes et les conséquences aussi sont multiples. Et les gens, souvent, les, employeurs aussi, ils prennent goût à cela et à chaque fois ils renvoient les bonnes à, tour de bras. tout cela, il fallait donc un contrat bien signé et faire en sorte que les uns et les autres respectent. Et en même temps, les, les, filles aussi, parfois, pour 500 euh, francs, 1000 francs, vont quitter euh, telle famille pour telle autre. Euh, donc, vous voyez, parfois, les problèmes sont partagés aussi. Et il fallait donc essayer de faire euh, un suivi au niveau, je ne sais pas si c'est la mairie qui doit s'occuper ou une autre structure, euh, instruction de travail, pour essayer donc de euh, savoir comment les gérer aussi avec les employeurs. Docteur Hamid Abdelhadi, quelle est la responsabilité des parents dans le travail des jeunes filles domestiques les parents au niveau du village, exactement Oui, les parents, c'est ça aussi, c'est ce que les uns et les autres ont dit. Il y a la pauvreté, il y a l'imitation, il y a. Euh, elles, aussi, elles veulent avoir euh, de quoi aussi organiser leur euh, mariage, qui fait en sorte que les parents, des fois, donc, sont euh, impuissant face à cela parce qu'on voit la fille du, du, voisin est partie et donc pourquoi pas ma fille, etc. Et c'est cela aussi qui fait que les parents, des fois, ils ont une responsabilité, mais parfois il faut les comprendre aussi parce que si on voit l'autre qui est parti revenir avec et on ne mesure pas les conséquences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, tomber enceinte ou bien travailler des mois et ne pas être payé, tout ça là, on est à l'écart et euh, c'est cela aussi. Donc, il fallait donc peut-être euh, euh, du côté des parents aussi, essayer de les sensibiliser et de trouver de quoi les occuper aussi, c'est ça, parce qu'on a dit que euh, euh, notre collègue tout à l'heure, il disait qu'il n'y a rien à leur proposer et les gens sont obligés donc d'aller chercher là où ils peuvent avoir quelque chose. Docteur, restez en ligne, il est temps de donner la parole à Soumana Ali Fodé. Quelles sont les régions ou les localités les plus concernées par le travail des jeunes filles domestiques au Niger D'accord, merci, monsieur ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que au lieu de parler de Balear d'abord, moi je vais parler de la commune de Tondikandia. Parce que euh, vous pouvez continuer vos enquêtes, vous, verrez que euh, à il est difficile d'avoir un village où les filles ne se déplacent pas. Il est difficile. Donc, euh, selon ce que j'ai constaté' d'ailleurs, je voudrais dire que c'est à partir de Tondikandia où et le phénomène, je vais dire, a commencé pour prendre de l'ampleur jusqu'à Tagazar et une partie de Bonkoukou. Il ne faut pas aussi oublier Loga. Loga aussi, présentement, les filles se déplacent pour, pour les villes. Et encore une partie de, de, de, de la frontière de tondikandia et, et Kourfei vers, vers le nord, là aussi le déplacement commence dans ces localités. Donc, euh, c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui s'agrandit du jour au lendemain. Et donc, euh, par rapport aux conséquences que vous avez posées tout à l'heure la question, je voudrais d'abord vous citer la parole d'une euh, d'une fille, euh, euh, une bonne de Banifondou, qui me disait, et je cite, C'est par contrainte que nous faisons ce travail domestique, car nous subissons un mauvais traitement de nos patronnes. Elles nous insultent, elles nous révoquent n'importe quand sans droit. Et elle ajoute ceci, dans ce métier, nous n'avons aucun respect de la dignité humaine. C'est une fille qui parle comme ça. Alors, c'est pour vous dire que dans ce travail, il y a comme conséquence la perte de la dignité humaine. Il y a également la mauvaise rémunération, ça vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a surtout l'abandon des élèves, l'abandon des élèves filles qui quittent l'école sans lendemain meilleur, qui suivent les autres pour la ville et pour retourner comme ça. Alors, il, ne faut pas aussi oublier les divorces. Les divorces, parce que ça crée des divorces. La migration, l'exode des femmes, là, ça crée des divorces dans les foyers. Et n'oubliez pas aussi les maladies. Parce que, une fois en ville, elles prennent les produits pour le gavage, pour retourner et montrer aux autres qu'elles viennent de la ville euh, rassasiée. Or, ce sont des produits, en les prenant abusivement, créent des maladies mortelles. Donc voilà euh, en fait euh, euh, les quelques conséquences désastreuses que nous subissons par rapport à l'exode. Bon, de l'autre côté, les gens parlent aussi de trousseau de mariage, parce que certaines répondent qu'elles sont venues pour chercher le trousseau de mariage, que leurs parents ne peuvent pas leur fournir, et ensuite pour s'habiller, et gagner aussi les résidus de, de, marmites pour, comme complément alimentaire. Voilà donc euh, sur euh, les quelques points que je voudrais vous euh, donner sur les conséquences de ce phénomène. Docteur Hamid Abdelhadi, quel rôle l'État et ses partenaires peuvent jouer dans le cadre de la prise en charge de ces jeunes filles domestiques euh, merci. Euh, L'État et les partenaires euh, doivent prendre ce problème-là au sérieux et surtout qu'on a constaté, nous tous, nous sommes unanimes pour dire que il y a l'abandon de l'école. Et par rapport à cela, il fallait donc que les partenaires et l'école euh, se préoccupent de ce problème et qu'on essaie de sensibiliser et de voir euh, par quel moyen arriver donc à faire en sorte que les parents maintiennent leurs filles et qu'on s'occupe, on garde les filles mineures à la maison et qu'elles euh, continuent à étudier et leur proposer aussi donc quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne soient pas dans les délais pour essayer donc euh, d'aller ailleurs chercher de quoi résoudre leurs problèmes. Jibrina Hamani, en cas d'abus contre ces jeunes domestiques, que prévoient les textes nationaux ou internationaux rapidement Oui, bon, dans tous les cas, en cas d'abus, je crois que c'est quelque chose que au niveau d'Alten et de des autres euh, euh, ONG, nous sommes dans une coalition des ONG qu'on appelle la CONAF et nous avons beaucoup de relations avec euh, l'ensemble donc des intervenants, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de, au niveau de la justice et ses démembrements. Quand il y a des abus, il faut d'abord que la personne sache qu'elle a été abusée. Il faut que la personne aussi porte plainte. En général, dans des situations de ce genre, souvent comme euh, l'a expliqué souvent, c'est entre eux-mêmes, les ressortissants du, du, même coin, les jeunes qui sont avec eux, qui les connaissent et qui côtoient ces jeunes filles-là. Souvent, c'est là-bas où souvent l'abus il vient. Même si par ailleurs on peut trouver la, au niveau entre les domestiques, même dans la même chose, il peut y avoir des abus. Mais généralement, c'est très difficile que la fille porte plainte. Et quand il n'y a pas de plainte, à qui il faut souhaiter se référer Sauf si c'est au niveau des parents peut-être qu'ils interviennent là-bas. Et même au niveau des parents, il y a ce qu'on appelle la honte. Parce que eh, les gens ne veulent pas porter plainte, amener ça dans le public. On préfère étouffer les choses là-bas. Même si elle a un état de grossesse, euh, peut-être elle est voilà, engrossée. Bon, là, on gère ça au niveau de la famille et puis c'est fini. Les gens ne vont pas jusqu'à amener ça au niveau de la justice. Si peut-être une fille a été violée par euh, quelqu'un d'autre, si elle connaît la voix ou bien quelqu'un qui connaît la voix, il peut essayer de la conduire au commissariat. Il y avait euh, une, dame qui s'occupe de, des violences basées sur le genre et qui va prendre les renseignements et prendre des dispositions pour que la personne soit sanctionnée. Mais si elle ne connaît pas et que le paramètre honte intervient, il n'y a plus rien. Seulement, elle va être meurtrie et puis, bon, est mise euh, au banc de la société elle va peut-être traîner sa grossesse. Et peut-être euh, au sein de la famille, ils vont faire en sorte que peut-être elle accouche et puis c'est fini. Ou bien au niveau, si c'était un truc, euh, chose chirurgicale, on va euh, l'amener au dispensaire et puis traiter et puis c'est fini. la personne qui est responsable, peut-être elle va payer les produits et tout ça là. Mais ça s'arrête là. Souvent, il n'y a pas de plainte. Et la plupart des phénomènes sociaux dans ce sens-là, ils restent sans plainte. Et le problème, et c'est à cela que nous, nous avons au sein des, des, ONG, sensibiliser les gens et sensibiliser euh, la population pour que qu'il y ait des dénonciations. Il faut que les gens portent plainte. Porter plainte auprès, Quand il s'agit au niveau de la justice, il y a les, il y a les juges des mineurs. Quand il s'agit d'une premier, première question, il y a aussi les commissariats centrales où il y avait un bureau qui est destiné à, comment, à la protection de la jeune fille et on porte plainte et la, la bonne dame, elle prend les renseignements nécessaires et elle oriente. Voilà un peu euh, ce que je peux dire dans ce sens-là. Soumana Ali Fodé, dans ce secteur, les employeurs et parents ou tuteurs sont des potentiels bénéficiaires du labeur de ces domestiques. Quels sont, à votre avis, les bénéfices pour chaque acteur Bien, donc euh, pour parler des bénéfices, euh, moi je voudrais dire que c'est les tuteurs ou les titrices, je vais dire, qui bénéficient des travaux de ces euh, jeunes, filles. Parce que, mais il faut aussi dire que eh, quand on parle d'un phénomène, il faut que tout le monde ne voit pas que tu tires toi ton intérêt dans, le phénomène pour encourager le phénomène. pourquoi je dis cela Même les titrices eh, sont victimes de ce phénomène. Eh, rappelez-vous de, de, ce que dit le chanteur Abdou Salam, Medeka Amshimizi je parle mal, euh, euh, j'utilise mal euh, l'expression, mais cela veut dire que parfois, ce sont les bonnes là qui remplacent les, dames, qui remplacent les dames. Nous sommes des hommes. Donc c'est un phénomène qui est là, c'est une triste réalité. Donc il y a ce problème qui est là dans les, foyers. Et de l'autre côté, les parents, il y a des, femmes, des, jeunes filles qui envoient de l'argent, qui envoient de la nourriture aux parents qui sont Restés au village. Ça, il faut le reconnaître. Et en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est un phénomène que l'État et ses partenaires doivent en tout cas faire face à cela pour y éradiquer. Malgré les efforts du gouvernement avec euh, l'appui des partenaires dans le domaine, à travers notamment la gratuité de l'école, le phénomène continue de se développer. C'est pourquoi les acteurs du domaine estiment que des efforts supplémentaires doivent être consentis en vue d'adopter les divers programmes aux réalités de la société nigérienne. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Jibrina Hamani, chargée de programme à l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, Altena. Soumana Ali Fode, enseignant, elle a aussi présenté un mémoire sur le travail des jeunes filles domestiques. Et au téléphone, Dr Hamid Abdelhadi, sociologue, enseignant, chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.